mairie yi ñu fal bees ku ci nekk rek tàmbali nañ laa takkal sa ndombo tànk ngir teg la ci boppu mairie bi am na sax ñu ci tàmbali seen liggéey. waaye terewul ni contentieux yi ma ngay woy ci yenn localité gox bu ci mel ni Géejawaay

Périm yàlla ñu ne ko Aliou Sall ko ci de weddi na mbir mom ba set japp na ni sax mom Ahmed Aïdara mi ci showam rek la nek waye vote bi lepp normal. conformément à la loi un processus qui a été déclenché ne peut être bloqué ainsi et c'est comme ça que nous sommes restés pratiquement depuis 12h ou 13h jusqu'à 22h sans que la séance ne, continue. Si le 23, nous avons tout de suite accepté que Bernard avait perdu les élections au niveau de la ville, c'est parce que nous sommes des démocrates et les responsables de Yéou devaient faire la même chose aujourd'hui parce que c'est d'une manière légale, d'une manière normale, que tout a tout a été fait. meli melo Bobu nak mo mujjé tax ñu suspendre bile vote. ñenn ci analyste politique yi japp ni sax loi bi teunk walum collectivité territoriale mo incomplète mo waral bile imbroglio. Euh, li ko indi mooy loi bu bees bi ñu voter. comme ancien système bi continuer pour conseil pour adjoint ak conseil yi. Euh, il se peut que bu boobaa ñu manœuvrer ba nga xamanteni euh, premier conseil deuxième conseil du bokk ci camp bu problème li cohabitation da obligé ak politique te loolu li xew euh, problème politique c'est-à-dire que réforme moo indi pendant que ñuy xuloo fële ci le constat est tout autre Ousmane Sonko tàmbali na liggéeyam woote na session ordinaire bu ba commencé teg ay jéego ngir soppi lors de la Première Guerre mondiale, il a recruté de force euh, des indigènes ici à Bignona, qu'ils ont amenés en France et ils ont été tous massacrés, aucun n'est revenu vivant. Est-il normal que 64 ans ou 63 ans après notre indépendance, qu'il y ait une rue qui s'appelle Lieutenant Javelier Est-ce que ça, c'est normal Le cas, c'est Javelier et le moine, les deux lieutenants. Le cas du lieutenant Triche, c'est la même chose. Ils ont euh, fait des massacres ici à Djemberin. bu ñu ni nag tenir à cœur la ndax buñu ñu promesse bu mu teniroon askan bi la ca présidentielle yu 2019 te xana boobu ba légui la ko def ab sacerdoce. si vous vous rappelez même lors de la campagne présidentielle 2019 c'était à Saint-Louis devant la statue de Federer que j'avais dit que si j'étais, je si j'étais élu, euh, que cette place ne s'appellerait plus place FEDERB Parce que il est important de préciser quelque chose. Nous ne sommes pas euh, en train de mener une cabale contre un pays. C'est pas ça. Nous n'avons aucun problème avec euh, quelques pays que ce soit, encore moins avec la France. Mais il y a ce qu'on appelle le devoir de mémoire.

à présent Mon Poussolo, solo une querelle de borne fontaine yi lii lañ leen indiloon ci xibaaru bés bi ci Totem Actu woy leen rekk di ñu suivre tu suñu ay chaînes YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci Totem Actu ou tam ci site internet www.totemactu.com